bonsoir selon la disposition du soleil par rapport à la Terre, espérant que vous vous portez à merveille. Bienvenue sur votre émission Jeune tous à la Fada. Nouveau numéro Santé. Nous parlons aujourd'hui de la drépanocytose, communément appelée ici Emma, pour ceux qui ont raté la première partie de l'émission. On rappellera que la drépanocytose est une maladie génétique qui affecte les personnes dès la naissance et qui se caractérise par une anémie conique et une sensibilité accrue aux infections au Niger. Le ministère de la Santé estime que la drépanocytose touche 23,2% de la population. La drépanocytose, dans son traitement, il fait beaucoup souffrir les porteurs. Ça, c'est sûr, et nous l'avons constaté en première partie d'émission, puisque nous avons eu les avis de ces malades sur ce numéro. Pour ceux qui ont suivi en première partie d'émission, nous avons recueilli le témoignage de nombreux jeunes porteurs de la maladie, pour être bref. Comment alors éviter de devoir supporter le poids de cette maladie compte tenu de son caractère génétique. S'il faut donc aller à la source, c'est-à-dire dès la conception des bébés, il nous faut donc réfléchir en tant que jeunes sur les moyens de comportement à adopter pour éviter de propager la maladie à nos enfants et à nos descendants futurs. Nous parlerons donc en deuxième partie d'émissions formulées comme suit le thème, mesdames et messieurs, entre dépistage et prévention. Comment éviter la drépanocytose chez les jeunes Nous parlerons du thème tout à l'heure avec nos amis jeunes. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi Donnez vos avis au 80 06 88 54 pour participer à l'émission à travers vos commentaires. Et pour recevoir tous nos contenus, abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Tout ça, la fada, c'est 37 minutes d'échange, de musique, de chronique. Eh, si la technique est opérationnelle, les jeunes, ils sont déjà opérationnels et prêts. On a trop, trop envie de parler de cette maladie. On rentre dans le thème comme ça. Et... Nous sommes avec euh, Madame Ima Fadim. Elle est présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger. Madame la présidente, nous sommes situés où nous sommes situés ici au quartier Cité Faisal. Quartier Cité où se trouve le siège de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger. Le siège de lutte contre la drépanocytose, mesdames et messieurs, au Niger nous accueille pour le deuxième numéro de l'émission Tout à entre dépistage et prévention, comment éviter la drépanocytose chez les jeunes Pour en parler, nous sommes avec M. Faisal. Faisal, ça va bien Ça va, je tu vas bien. Je vais bien. Nous sommes aussi avec le frère de Faisal, il s'appelle Ridouane, qui supporte aussi la maladie parce que son frère est malade. Super, on te souhaite la bienvenue, euh, M. Ridouane. Nous sommes aussi avec Monsieur Issoufou Amadou. Issoufou Amadou, ça va, Oui, Ça va, ça m'aide.

matagam irma de problème kara arango biyana cirse kan agbir kama to son irgo ci solution yan kan nan borgere mo kan yango ka na famandu nyabo ngemo imskadu doro hajia nin nerg sintinda Aujourd'hui, il est possible de prévenir la drépanocytose très tôt pour ne pas la transmettre à nos enfants plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire to pour éviter la drépanocytose, pour que Irmo Doro gagne to fonda yango no kanga nan bor mu wa masi fonda sintana den kiwo kan girgo ne gate wo fa kare wani kirgo ne gate ka bore bon feri da o oh, wani fonda sintana no ya kai gate kan zam da bor faham bat kan no masi yo gonon da fonda yango kan bor go wada mata no bor gate ka wada masi mhm. Sintana wano hadda bor gonda masi nin albor wal woy bor nim si higi ban kan gonda masi mhm. aran mu wa wadi o hin kanta mu kaki borai mu subai kakwai kingai kure sambu zan bor gono gor fo hala e masisi niga da ni wo as no wa ni wo aseno Do si bangai ni ga hamora me agoni kurora din man koi ka testote ni sibai hanni gonda wani sinda so ki bai din ni wo gogo bonger ni sinda e masi nim koi ka hiji bankan ne ngamun ga sinda e masi wi za aran borin ka kul as hin kano wala aran borin ka kul as hin kano to ni bai do de hasaraute no ya wadin iri irwo ga ne irwo kan ki association wo bore dindo din do kaki bor lale kan yanga fo inga isinda amma isi bai halin ga gwanda wani sinda to a sai no irgu bore bon fe ban kan ga fo sinda am kwakin ga kuro sambu kale loktare me ki a sai kane a sinda sam boranin ka ki a a amma ban kan ni gode ga gorno ni wo mane a sini ra. ni si bai me da makinin kuro sam ka gona pistajo bu kuro ima wala to wadi de pistajo irga bara hmm. surtout ko ni irga ba college e de lycée e alborga wo borga hmm. i kulma bai inga statue hmm. i kulma kwakin ga kure sambu i ma bai halin ga ya s no inga wo ac no linga wo ss yanno parce que borai dini batkul kan no ne koy kai na fo iga higi kyar ga dai no mm. to nim koy ka sambu ni ga fo han ni sinda nim sambu bara kan inga mo ga fo hala sinda amma am ka gar agwaran kurora mm. don ka te no ya aran kul go as as as hin ka kan kyar higi ss waran gudu wa dai no to wallahi ne kan ga depistage depistage te depistage torma wadi no irga ya yamar dai mate depistage ina ngano condition sintina kan ngan doro mu wada parce que dimbe ka gonga wal rabo gonga nigi cecigi wada bar kan gonda rabo aram sko zan

hanga kai gine kul kan gone safar ne hanga kan ma matin gonda safar kan dole no ni ga san basi wodi no avino mm. ko bore yim ko kicer de pistia ligue hiji monti je tem je tem ko mm. no <laughs> oh, wala er famino a shiko gi gitar ya ci ci nay bara donc ko ma mbo hiji man nan nay hiji mm. o oh, donc ay wanda no ay du izmo donc n mo sngt parce que je suis ss ss no e eh ss no quoi mmh. oh. donc nous, aujourd'hui din halag hiji il faut que nous madame dépistage merci mmh. parce que hmm. d'accord ko a as nous sensibiliser déjà merci igudo ss ya dinga il faut que nous da to nan kage il faut kam hiji a ne font parce que as no quoi Tant. oh Irman Seissifou. Rana Tousman. Éviter donc la drépanocytose revient dans un premier temps à se dépister. est-ce que cela vous fait peur est-ce que dine dépistage imkanda il ma imposé est-ce que agin jeune ham burande misali ga to wallahi wadu sanction dine min dépisé nan da awaso wucar hiji ni gine buram sin tin dépistage <laughs> wallahi ai wo za bora ka ai sai mm. mm. ai gicha se muna sai wo gonda ima e CSS mm. de bora gon ai gine bora se da bay a im chagno bani da bay asinda mo. inga ya dai no parce que duru nun imposer ne. insha Allah zama ai hinno go ban hankan ai goma ya dinga taban matkan go gna hayrai taban di duru war kam ni mo non suban ban man tai non suban ai si amma ba kurkan gonde e no ga bakan yan wodi go si mm. dole no wadin mm. wallahi zami irs be matki go te yusufa ya dinga irga ago sai duk wanda ya ir chalai di ba ga hiji im ko jingai ku gai sambu imdi ah, o zam irgano dogo go irsi baban dubogai matabi ah, matka ig challenge da aran bonga fero da aran fam wallahi asfala aran gote aran kam doctore jan he wallahi ina ina aran se to rahina namara na sanno dépistage à faire e chape on matano non di dépistage on bon nu gomba ici on dudu de koyno ai goyon baya ise zanga matkar rahana na ci da dinu war arusun da wanda ya in kwai asin boga na yawa kare sa gonda a sai go a sir chari jigi ya o me bara mu kwai kursan bugadi a wanda e masi za ka ni ci bara sai wallahi ai wodre pano sterun mhm. din bai ni sinda irin musintin gazalai mhm. dun gwanda burkul mu dogonan da kelsi zan mat kan yir tabin da se ba banda borai mu tabi Allah ran fama icharan sai conseil de docteur konno go gamara L'artiste s'exprime. C'est une rubrique de l'émission Tous à la Fada, consacrée donc à l'art à ce qui le pratique. Cette semaine, nous recevons un artiste de taille. On le suit et tout de suite, la suite. Vous, vous rappelez certainement de l'artiste Kitari. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa, nous avions parlé de l'artiste en question. Aujourd'hui, nous sommes à la boussole pour continuer ce que nous avions commencé. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de l'album Héritage. Nous allons parler des vidéos disponibles de l'artiste. Nous allons aussi réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler du buzz. Jamais touché. Ce sont qui cartonnent à l'heure où je parle. Pour finir avec ce grand événement. Pourquoi le choix de la blousonne Parce qu'il est né nous, quoi Nous sommes dimanche, mesdames et messieurs. Quoi Dans un instant, à Neo. Hey. Ladies and gentlemen, nous sommes à la Blue Zone de Niamey, où donc on va se tenir. L'artiste s'exprime du studio Kalako. À l'honneur, Kitari. Kitari, Dondi, la machine te souhaite la bienvenue. Dans la rue, j'étais sorti marcher, embrouillé par les problèmes de la vie. Je marchais sans même savoir où j'allais. Et d'un coup, voilà une fille devant moi. La go elle m'a coupé sur le chemin. Baby, est-ce que tu sais que t'es mignon? Pardon, Viens me passer ton numéro parce que je t'aime. bien sûr, <laughs> c'est de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Nous sommes à la blouson pour parler en question de l'album d'héritage. Décortiquons l'album. Héritage. Ouais. Parlons d'héritage. L'album de combien de titres déjà 13. 13 titres. Ouais. On peut aller avec quelques titres déjà connus du public. Oui, euh, il y a déjà Aye que tout le monde apprécie et que tout le monde connaît. Il y a One Dance également. Il y a Ateniga également qui est sur, l'album. Il y a Mardi Noir, le morceau que j'ai fait pour les, FDS. Euh, On va commencer d'abord par parler de Aye. D'accord. Aye, qu'est-ce que ça veut dire Aye donc, Aye, c'est un morceau qui parle de mariage, c'est un morceau qui parle de joie, c'est un morceau qui parle de gaieté, c'est un morceau qui parle du ressenti d'un jeune marié en fait. Tu vois le premier mariage, tu sais ce que c'est. Est-ce qu'on peut hein. avoir un, <laughs> extrait de sur l'émission ayaukiamince nirekezamu yo hey. amana mukayi kuma mutabatar da ita yawaranmu mu haɗu zuciya aye aye Et ensuite, euh, un autre titre de l'album Voilà, donc euh, il euh, y a One Dance. Euh, One Dance, c'est un morceau qui invite les gens à la danse. C'est un morceau qui est fait purement pour le fun, purement pour s'enjailler pour oublier ses problèmes parce qu'il faut ça également dans la vie parce que parfois il y a des stress qu'il faut évacuer et tout. Voilà. Super. Et un autre petit truc aussi de l'album qui a marché en dehors de ces deux qu'on vient à l'instant de kiffer Ateniga. Ateniga. Ateniga, c'est un morceau qui, qui parle de, de ce qui se passe de manière générale parce que il y a nos sœurs qui sont voilées toute la journée et tout, qui se retrouvent à sauter des murs et en jupe mini pour aller se retrouver en boîte de nuit avec de l'alcool, de la drogue et tout ce qu'il ne faut pas. Donc euh, c'est en fait, j'ai fait cette chanson pour parler de ça en fait. Donc tu t'assumes, soit tu fais euh, aux yeux de tout le monde, soit tu arrêtes parce que c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Alors, Mr. Kitari, on va parler cette fois-ci du buzz de la semaine. On va parler de chanson qui cartonne, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Tu vois de quoi je parle Jamais touché. Jamais touché. <laughs> On va parler de Jamais touché. Qu'est-ce que tu racontes à Jamais touché Jamais touché, c'est un morceau qui parle de. C'est une petite histoire qui est racontée en fait à travers ce morceau. C'est quoi cette histoire qui est racontée à travers ce morceau, Mr. Kitari bah, Écoute, Tous ceux qui veulent savoir c'est quoi le fond de l'histoire, donc qu'à me rejoindre le jour du, spectacle. Là, on va se dire les vrais baies, comme on le dit. Mais c'est ici ou... C'est à la Blue Zone. On va <laughs> parler de fans à artistes. Tous ceux qui ont des questions à, poser, ils auront leur réponse. La fille, elle sera de la partie Oui, La maman aussi, elle sera de la partie Ah, c'est clair, elle, elle l'a annoncé déjà, donc... Euh, et moi, je suis aussi ton avocat, j'ai dit, mais j'avais vraiment voulu qu'entre client et... <laughs> et avocat. Voilà, qu'on ne se <laughs> casse pas les choses, mais jusque-là, tu n'es pas encore clair avec moi. Moi, je vais te prendre hors antenne et après, on va voir comment discuter Victor si c'est toi ou pas. Et moi, je dirais aussi euh, la vérité, comme on dit le jour J. Le verdict va tomber. Mais c'est qui t'arrive. Nous sommes donc pratiquement à la fin de cette rubrique. Et à chaque instant, à la fin, nous permettons à l'artiste de placer des mots. Alors quel serait ton mot à l'endroit de tous ce qui nous suivent depuis la Bouzonne Rappelons ceci, l'émission s'est délocalisée du studio Kalangu à la Bouzonne. Ouais. Alors, un mot de fin à ce qui concerne la rubrique L'artiste s'exprime. Kitari s'exprime donc sur le studio Kalangu. Et... À tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui ont donné de leur temps pour nous écouter, je vous dis merci à tous ceux qui ont écrit un mot pour m'encourager, pour encourager l'initiative là qui continue et qui, et qui pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup la culture. Je vous dis merci. À tous ceux-là qui kiffent mais qui ne partagent pas, je vous dis s'il vous plaît, partagez. À tous ceux-là qui ne kiffent pas et qui se retrouvent devant nous pour nous dire que moi j'ai kiffé, changez de comportement. Dites ce que vous pensez. Merci beaucoup. Ainsi parle l'artiste qui Rendez-vous donc ce soir à partir de 19h pour vivre le deuxième concert de l'artiste Machine and Kitari Tolkit. Hey. À l'instant, testé, l'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Partant de cela, mesdames et messieurs, nous allons donc inviter Mr. Olivier. Il va nous apporter aussi sa part de contribution juste après la deuxième série de questions. Nous sommes exactement à la cité Faisal. Cité Faisal, au sein de cette cité, mesdames et messieurs, une association qui lutte contre la drépanocytose au Niger. Nous sommes avec la présidente, madame Hima Fadimatou. Madame, comment vous allez ça Vous êtes toujours en forme Oui, ça va. Super. Donc nous sommes aussi avec euh, Faisal, euh, nous sommes avec Ridouane, monsieur Issoufou Amadou nous accompagne, et Raina Moussa, Ranatou Ousmane ils sont tous sur la mission pour nous parler, euh, n'est-ce pas, de cette maladie puisqu'ils sont porteurs. Fais ça. Tu es là, tu es en forme. Vous espérez vous marier et forcément cette idée de dépistage euh, va trotter vos têtes. Dépistage au cancer candidat. Est-ce que nous nous gondenia kangati? Odindi basga kane c'est nous on bon dandaino. Ils foutu. <laughs> Maintenant on est organisé Faisal. Bon, avant d'informer la fille d'abord. Mm -hmm. Tu l'informes que tu es porteur. Oui porteur de la maladie. ça, c'est la première des choses à faire. D'accord. Et il faut d'abord la faire comprendre c'est quoi la drépanocytose. Ok, c'est très important aussi. Parce que si tu l'informes que tu es drépanocytaire, mhm. lui, il ne sait pas déjà c'est quoi drépanocytaire. Mhm. Donc, tu dois l'expliquer d'abord. C'est quoi la drépanocytose Comment vivent ces gens avec cette maladie mhm. Premièrement. Ça, c'est la première des choses. Premièrement, oui. Avant de passer au dépistage. Au dépistage tu expliques d'abord la maladie. La maladie. je suis porteur de la maladie. La maladie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vis ça avec la maladie. Je avec la maladie. Donc, à vie. Oui. Donc, toi aussi, tu dois comprendre c'est quoi la maladie. Mhm. Avant de te faire dépister d'abord. Mhm. Ça, c'est la première condition. C'est la, première condition. Mhm. Une fois, elle sait c'est quoi la maladie. Là, elle va accepter de se faire dépister, voir. Est-ce qu'elle-même, elle est porteur ou elle est non porteuse. Donc, si elle sait dépister elle est porteuse. Donc, le mariage n'aura pas lieu. Hmm. Parce que on ne veut pas que nos enfants aussi souffrent comment nous, nous avons souffert. Eh, eh, eh, awuka wuka aja aran gogo bori fa mais zanke nge n'gé, bumbu aja fam il faut difo no aran guti kan zanke go fam da woni parce que apparemment des zanke kul fam mat kan zanke o fam da doro dirga ga ima aja sensibilisation fur mo no aran zanke o sensibilisation ne wodu mo da kir go ne gate irgi hinki kul samba afofo kul no ga hin ah, sensibilisation te ba irsi bandano ah wallahi to woné, no kan ikul faham da doro mm. i faham da matno i ga doro transmettre borfose mm. donc ir, wos, c'est pour réduire le taux des malades dans la société pour que bora kulmu fulan zam parce que so ki faham da ngai wo abori dai ne ya wallahi faham san ke walla faham wallahi ya nano ya to am karando bazagai irmu su cer sai kulfa rahanatu son kuna dina baka kan na fundo da no gbara kan na sibai hankarrano nugo inugo ss ina an kuna go as haran ga gayino matano to wallahi dole dai go as ago as mhm. doyir ba irga ba yadin tila so ban waka irga charno din ba ko kidara nga bo moru chat borogo ga ganne borogo gonde man taram bayra won go ci ne ne se indi cara ga marano won man sensibilisation no bo kan hajanar arno indi cara ga marane ne nim chese al ga yino wol mo binde no kontine irmi tucer sai kulun la la fara jeune genara irga ga yino za sintina anima aikin si za boraka ai mu ai nim pije no me donc après di kan gogi insister donc mon formation hin no nga appliquer ni viora no mi to nam kan chala modo rano tusman na mala no matanon ne de dawaga agi man da ni walmo binde no ni hijate ay si hijate walla mate sa te matkan maskir tabin da ai su ba irban da borai mu tabi yadin dirka ga hiya te problem ra hinna nargu gufuru hmm. en sin da ba ne ni hai iza kan gwanda ss a sin ba ni go ne har a go fur mai no go bor sani fo na mai no go bor fo ira ni sin ba ni ni go katine izo go katine to mai no go bor abura sagyo albura ta ta kasi <laughs> to problem no wallahi ni chim imdude o moske woro gonda bani na wani sini bani ni zai gwanda bani son bora fami yo kul ni ci ne ne gite to ndi wala eh wala ni femme wala Monsieur Issoufou, vous l'avez vécu, vous vous êtes marié. Avant de se lancer dans l'histoire du mariage, vous vous êtes dépisté. Oui, oui. Madame, elle n'est pas porteuse. Euh, non, non. Toi, elle tu es porteur. Non, non, moi, je suis porteur. Vous avez un enfant Oui, oui. L'enfant, il est porteur Non, non. Le AS. AS. Oui, oui. Donc, ça veut dire que ça va pour l'instant Ça va, ouais, ouais. C'est gérable, hein Oui, oui. Ok, donc ça veut dire que vous avez l'expérience. Si vous avez fait la tête dure, euh, par un moment, tu es en train de traiter un enfant et te traiter, et traiter aussi madame. Mhm, mhm, monsieur Abdelkam, il a secoué la tête. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire En tout cas, il dit Oh, monsieur Abdelkarim. il m'a dépisté. Mm. da gwanda matkulkan ni gabara da mm. wallahi bor mora ngiti bor saya da ni hallasa hallasa ne da hallasa ni mora dinga ba mu hallasi kun ba mu hallasi kullum mora amma dis ba ni ma hallasi dis ba ni ma hallasi kullum magana zam din na gane din ni go loktor kwara go loktor kwara izo go loktor kwara borin zanwa to window sai wallahi boku sino wallahi boku sino ya dinga mata no wallahi ne sai eh amanti sanno kan ni ci wallahi amma muke jiwa kan ni bani mm. ngano bani sin da bani agoni jerga dini zono sindi bani agwa jarga bore yo mo sin woni gini ko ko arara din gonde bani kai nan koy ko arara ke ke ke kani kag saforo noro bananda ba ok riga ayo o kan ai wa wallahi da darin waran gonde bani wallahi ka garan zan kaiza bai gon doro safare gon kayan go fat kan bora gingahan a ginga vivre doro do kiriyo sabatu ka girwa mai zaran kan gonde bani fa La musique s'impose, le plan de divertissement, mesdames et messieurs, on va donc aller suivre des jeunes qui ont euh, apporté leur part à l'édifice, leur contribution à travers ce slam, le slam qui traite de la drépanocytose. On suit l'association de Burkina et on revient pour la suite. Prière d'un enfant drépanocytaire. Oh mon Dieu, que je souffre. Drépanocytaire je suis, et de l'être que je souffre. Ma crise douloureuse à nulle autre douleur n'est comparable. La sensation de broiement de mes os par un compacteur. À la sensation d'un marteau piqueur qui dans mes os s'enfonce. L'atrocité de ma douleur, oh mon Dieu, toi seul la mesure. De souffrir dans l'ombre et dans l'ignorance du reste du monde de ma maladie, de cela aussi je souffre. Je sais, mon Dieu, que tu ne descendras pas du ciel pour si peu, mais touche le cœur des hommes que tu agrées pour qu'il fasse que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Car aujourd'hui, ça fera deux ans que papa n'a pas renouvelé les vaccins obligatoires du trépanocytaire, dont en particulier mon pneumo 23. Maman m'a dit que chez moi ça allait un peu mieux et qu'il fallait s'occuper de mon plus jeune frère, prépanocytaire qui a aussi besoin des mêmes vaccins que moi. Tonton docteur m'a dit que si j'étais bien vaccinée et régulièrement suivie, j'avais des chances de vivre assez longtemps, comme c'est possible là-bas en Europe et les autres pays là-bas. Mais j'ai aussi peur de grandir, car mon oncle Nabra, prépanocytaire SC, est perclu des deux hanches. Et j'ai entendu tonton docteur dire à ma mère que quand je serai encore plus grand, il faudra me surveiller plus régulièrement les yeux, car il y a un risque oh mon Dieu, touche le cœur des hommes que tu as créés, pour qu'ils fassent que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je sais que le paludisme est très prioritaire. Je sais que la tuberculose est très prioritaire. Je sais que la méningite est très prioritaire. Je sais aussi que le sida est très prioritaire. De la drépanocytose, je ne sais si elle est prioritaire. Mais je sais que je suis là et que je souffre ne m'oubliez pas. Ne m'abandonnez pas à mon sort. J'ai besoin d'aide et de suivi. Et ça coûte. Mes tontons grands décideurs du gouvernement et leurs épouses, mes petit au grand cœur, mes tontons et de l'UNICEF et des autres organisations qui luttent pour l'environnement. Je sais que vous ne m'oublierez pas, mais ça fait longtemps que j'attends et j'ai peur que vous ne finissiez par m'oublier. Oh mon Dieu, touche le cœur des hommes que tu as créés, pour qu'ils fassent que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci mon Dieu de répondre à ma prière. De Bonsayamba Ouedraogo. l'instant test est donc la sensibilisation, le plein de divertissement aussi avec les jeunes du Burkina Faso. On va donc boucler la boucle. Avant de donner la parole à nos invités, nous allons recevoir Baby Philippe. Avec ta permission, euh, Mr. Olivier, tu connais Olivier Baby Philippe Oui, bien sûr. On peut le recevoir Oui. Qu'est-ce qu'il va présenter La chronique. La chronique donc de l'émission Tous à la Fada et tout de suite, la suite. Grosse question ce soir, comment savoir si une information vient d'une source de confiance ou pas Amis de tous à la fada, est-ce que ça vous est arrivé de partager une information et après de se dire waouh, cette information elle est fausse C'est-à-dire, est-ce que ça vous est arrivé de partager une information et de regretter après Oui vous parlez euh, des réseaux sociaux. bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Vraiment, et Dieu merci. Moi, jusque-là, je n'ai jamais eu ce, ce genre de problème. Parce que moi, quand je vois une information sur les réseaux sociaux, la première des choses que je regarde, c'est la source. S'il n'y a pas source, je ne la partage pas. Et même s'il y a source, et je veux m'assurer que la source, elle est vraiment valable. Quand on dit source, Kalangu, par exemple, je sais que Kalangu donne des informations fiables. Ça, ça mérite de l'applaudissement, voilà, c'est clair. Merci, <laughs> Dans la chronique de ce soir, il s'agit de partager avec vous des astuces pour différencier une vraie information d'une fausse. Oui, les deux existent. D'abord, selon un article publié sur la radio-télévision suisse RTS, les informations, ce sont d'abord des faits une catastrophe naturelle, une décision politique, une découverte scientifique ou bien une nouvelle maladie que des journalistes portent à la connaissance d'un grand public. Et pour la plupart du temps, une information des, une information a des caractéristiques suivantes. Primo, elle concerne le public, représente un intérêt pour lui et elle est également basée sur des faits réels et ne se base pas sur un avis ou une opinion. Secondo, une rumeur peut devenir euh, une information quand elle est vérifiée, confirmée auprès de plusieurs sources, que ce sont des experts, des témoins directs, des autorités, etc. En gros, c'est ce qu'on appelle source d'information. Comment savoir si ce qu'on lit sur, ou bien ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est vrai Selon la source que j'ai consultée pour un journaliste, les réseaux sociaux ne sont pas des sources d'information tout simplement parce que tout le monde peut y diffuser des informations. Pour y voir plus clair, il faut d'abord identifier l'auteur du message. Qui est l'auteur de cette information que je viens de recevoir Est-ce un média connu, réputé, fiable ou bien est-ce un site dont on n'a jamais entendu parler si l'auteur est inconnu, il faut alors se méfier et se fier aux médias traditionnels reconnus. Mais attention, même ces médias, les journalistes et les experts peuvent également se tromper. Il faut également vérifier la date de l'information tout simplement faire attention aux anciennes publications qui remontent. Le risque est de les considérer comme étant de faits nouvelles. Chers auditeurs et auditrices, il faut également se méfier des messages chocs. Il est important de ne pas se laisser piéger par nos émotions. Et enfin, ne pas se fier au nombre de partages sur le net. Ce n'est pas une garantie de vérité. En résumé, pour distinguer l'information de la désinformation, il faut pouvoir identifier les sources, s'assurer de leur fiabilité, déterminer si on a affaire à des faits ou bien à des opinions. S'interroger également sur la date de l'information, des images ou des vidéos. Se méfier des phrases chocs qui suscitent une vive émotion et ne pas se fier au nombre de partages sur les réseaux sociaux. Je finirai cette chronique avec cette phrase du rappeur euh, ghanéen Sarkolien. J'aime bien le rap, comme plusieurs jeunes d'ailleurs. Le rappeur Sarkolien nous disait ceci Internet ne filtre pas les personnes qui s'inscrivent. Donc vous êtes garanti d'avoir toute catégorie d'hommes et de femmes ici. En gros, sachez à quoi vous fiez sur Internet. À la semaine prochaine pour une autre chronique informative. Merci à vous. À l'instant, testé Mr. Olivier. C'était la chronique de l'émission Tout à la fin. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. On cherche des solutions. On sait qu'il faut un dépistage pour empêcher la propagation de la drépanocytose. C'est ce qui quand même a été relevé par tout le monde tout au long de l'émission. Et chacun ici présent peut placer un mot. On commencerait par le frère, bien évidemment, de Faisal, qui répond au nom de Ridwan. Ridwan, nous, tiens, Gondansi. jeune gars pour que dépistage din im ko gate bo kursa no ne folon kan goni se erum ko jine e eh, dai o kan e ba dépistage mm. imati mm. boram su ko ne a ifo nga hamburu dépistage man ta ifo no kan ga bor hamburandi mm. ja kursan bien no ben kan zo ni ga abani im gune im cinsi o kan no gonga asi doro ya lalande sanezo sanai zo da ya sin da ay frère ta cuno gonda ay frère ngenda yon petit cercle ngi hese di wo mado ay ngi heyse ya zamir ah, ir kulno skani windora bor kulno skan bayir voisin ay voisin bo skani windora zaman ko ya nig mil bayi go hawga tin nan deni a fesa nan deni go ya cincina go fakare inda ah. berno amma dai di bor dir igina na kenno hmm. go ya cincina go fada irgo shayin han ngo bakan sai ni imsa an shayi irgu yanci nirgu fada irgu goro di yam ku fora sen minutes après krizo ka ifono ifono krizo no ka bar kansu bai gina go no igine bora kan da aran dai go goro mm. son da mu hayo hal kriza ifum tuna si kan ga hamu kul doran da yankina di boren siyarda iza mm. de man yan kul no an ga de kinga gayi de dirmate pour que dirmate ya eh o ko buri do asya ay aran kan ba farq baram sko mo gana ino na aram ko bi krizo tunan difa fesal ceyan fonon gonda jeune ga pour kermi bon feri sensibilisation lokacora nergo bon ayo ceyan kan ga si irjeneiro sensibilisation abono irgabandi eta bori sensibiliser sobay gena denton tay fonon saro alla nambor gere mom sala et c'est fou c'est fou rum koynumo il faut non sanno kan gon mission go ko banno gazo go ben wallahi sensibilisation o aga boori gumo i parce que c'est important quoi mm. o aga boori gumo sensibilisation o dépistage o dépistage o bon wa wa mat ka ge o parce que doro no ro ga bayadi nga boori kanga asim ko ki char dépister avant que me char higi c'est important kan no badente o so no doro no ga no go supporter madangir ko sabuni zo ge ko sabu ya dino o mo mo si borin kaga go inshallah yadi oh, no o no nugo ga zar ka ma ni ya dinga wata nagi ya marna kwa oh ai mo wannan gi ya marna kwa bawai oh <laughs> ok aja on va finir avec vous euh, rahanatu ya din daino hali bare gingai higete im ko gingai ku gai sambu im di wan kan dum no go baga sai zama ir ta din kan ir goce ir siba ir kai ne dir izai dir begai ingai mu mate sanno ban rahina ne mate matti noon won gokka wallahi yaadinno bor sanno ban donc yaadinno irum <laughs> ga yodimmi ala ina yaadinno irum sanno passage c'est aja na gon sandi ko koranta l'instant est solennel nous sommes pratiquement donc euh, à la fin de cette émission alors un mot un mot de sensibilisation à l'endroit de tout le monde tous qui suivent cette émission pour que nous puissions en tout cas mettre fin à cela c'est possible à travers la sensibilisation et le dépistage. D'accord. To dinda jene wo margu hun ko ne emission wene wo te irsi ba kala jama mu du ko bai ki emasi doro. Ta bi kan no e masi zai go gama ko ne fondu yanki ga sambu ka du ko wa da emasi doro. Irsi ba kala jama mu ima bat kan ki dawo im kure sambu hala zankai ga so da kan linga ga higi. Hmm. Man ki kadda aro sanin no ne wai im ko ka kure sambu da to nan kan ato fayyan sino me. Donc za aro sa man irga ba. albaga sin zamto daru sai to nan gufo yan lati je no ga ne aran go gidan girka ha wandi donc i jaga te dai no donc im sto no di oh donc im kudai sambu di bai kan boro gwanda boro gwanda bore man no ba ni zade hine kan gannan bore si ma dori amma im si ton de ker kan nan kan yi to kali ga hi hige zari ko su kali ga kan da suji wato ni gana ran ko ker kudi sambu im ah. ne ya ga boro gwanda boro im hige ka wadin da ga fundi no ka. Mm. donc it ba wadi oh donc wadin nirga ba bore fahamda de pistage ima te zadi hine zanan ngo kan bore mana engagement ngo man moru gina wadin dahi ja arusa ga te im continue da dasu te mu im ba bani bon kan sidi gar ka sayya parce que de bore engage ka te non gumo wor fayyan sino kalim ne kadi hija mate hija mo da te mo masal no gara to wadin ni ba bore mu fahamda si parla Madame Ima Fadimatou, présidente de l'association de la lutte contre la drépanocytose au Niger. Merci à ces jeunes qui ont effectué le déplacement pour ces deux numéros spéciaux. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en ce qui concerne l'émission Tous à la Fada. Machine finish.